vida de 9h, 10h, de l'équipe de la classe maternelle, on va visiter le bas Inauguration de la salle volantes et des bureaux du directeur. Après cette visite, nous allons passer maintenant aux allocutions. celui euh, qui va parler en premier lieu, c'est le directeur de discours du chef du village. ensuite l'imam du ensuite les présidents des APE de Ndiao, Diamaken et Tandoron, euh, les présidents e de Ndiao, Diamaken et le directeur d'école de Ndiao, en de César, de l'école de Ensuite, on discute. ensuite, euh, M. Djamer, lui également, il va faire son discours. ensuite, euh, M. également, il va faire son discours. applaudit fort les enfants. Ensuite, le président de l'ACP, nouvelle de distribution. Applaudissez fort.

dem ci maître yeeg maîtresse yi ñëpp ñoo xam ne enseignement yitteel na leen wala éducation yitteel na leen parce que loolu moo leen fi tax a teew ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu itam presse yi nga xam ne teew nañu fi di nuyu mboolem ñi nga xam ne tew nañ ci dëkk bi di leen dadagal di leen dalal di leen xamal ne ñu ngi leen di ñaanal tànk yi nga xam ne moom ngeen jógee ba yegg ci fii njaaw ngeen nekk ci jàmm. pare ci jàmm delluwaat ci jàmm sunu borom aar leen ci barkeem ak barke yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal loolu la ñu leen bëggoon kon léegi xam naa kenn ku nekk foo mën ci doon mën nga def benn fatiha bu ñu paree ñu tëjee ko salaatul fatihi ñaan yàlla barkeelal ñu place bi wasalaamu ku ñëw ak ku ñëw ak ku bëggoon a ñëw te mënoo a ñëw wax dëgg yàlla ngir berndeel doole ci def seen kem yéen lay kattan wax dëgg fa yàlla loolu moom ñun mënuñoo am seen pay yàlla rek moo am seen pay yàlla leen yàlla fay yàlla yàggal leen fi ndax école bi ba mu commencé léegi ñoom depuis bañ bi commencé ñëw at bu ne xanaa am loo xam ne réservé woon nañ war ci dellu si muy war a nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi nekk fii ci école yu Njaaw ndax ñoom seen loxo bi ngi ci biir te itam gis nañu ne ñu fonk seen liggéey lañu ñu bëggu élève lañu ñu toppatoo école Njaaw lañ la dalee ca seen directeur bi de Sarr ba ci si ci gën a pare ci suuf ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm leen bu ñu jógee foofu nag ah fokk ñu nuyu sant sunu gan yi nga xam ne ñoo jóge fu sori ñëw muy ñi nga xam ne ñoom ñooy partenaire Bokol Ñaaw bii jóge France ba fii dama leen di wax ne monsieur Thiam bi xam na ci dara ndax defe naa ne école Ñaaw benn bâtiment nga fi mën a wax ne moom la ñu ci def moom lañ ci fekkoon kon bépp tabax boo fi fekkati rek ñooma lépp loo xam ne gis na ko ci place bi itam lu demee ni ki bâche yeeg chaise yeeg lépp ñoom ñoo ko jënd indi ko fi kon yaakaar naa ne ñoom ñoom bu fekkee ne école Njaaw mu ngi avancé ci wàllu njàngin bi ñoom seen loxo mi ngi ci biir ndax def nañ ci loo xamante ne lii def yaakaar naa ne kenn mënatu leen ci dara moo foofu dañu leen koy sant di leen gërëm di leen ñaanal ñoom itam ñëw bi ñu ñëw ak denn ba ñuy denn yëpp yal na yàlla defal leen yiw waaye yal na nga xam ne ñu ngi koy def ci école Njaaw lépp lu ci soxla ñu l'imam si je ne donc il a joué le double rôle deux l'imam également c'est le président du Donc il a dit que tout ce qu'il avait dit, il remercie également l'équipe pédagogique. Vraiment, ce sont des gens qui vraiment aiment ce qu'ils font. Ensuite, il aime les enfants. Ils font le travail vraiment avec euh, Ensuite, il a remercié vraiment infiniment les partenaires pour toutes les réalisations qu'ils ont faites à l'école de Yao. C'est à commencer par les salles de classe. Il avait dit qu'il y avait une salle de classe. Donc toutes les salles de classe que vous voyez ici, c'est eux qui l'ont construit. On applaudit fort les bâches, c'est eux qui ont fait ça. Les chaises là pour la classe maternelle. ñu wante ndaxoon ñoo leen nuyu ak mbooleem dëkk bu fi nekk ñu lay la tagal di la wax ci yëpp ci lii moom ñëw na lu kontaan ak gërëm ak sàmm ndax tubaab yi ñoo am seen alal indi ñu ko pour defar la ñu suñ école pour ñu doon jàng am xam-xam njëriñ na looloo tax ñu ñëw kon tubaab yi ñu ngi leen di gërëm di leen tasagal di leen sàmm leen wan ne li ngeen ñu defal kontaan nañ di ci kanam yàlla ñu ngi leen booleeg yàlla yàlla fay leen Eh, Moussa Sarr yow it lan tax lu nga nekkoon ñëw fii ba léegi yaa nga ko ndax lii seen su fii la njëkkee nga away ñu ko boole ñu tubaab yu bañ defal ñu ko kon yow it ñu lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér moo leen bu nekk yow ñu ngi leen di gërëm di leen sant ah waa dëkk bi waa Njaaw ñu ngi leen di gërëm ñii tamit ñu baax ngeen ndax ni mu fi njëkkee gën yaatal ko boole ñu fi ñu ngi sant gërëm war ngeen jëf jërë ngeen jëf yal na yàlla fay ñëpp yàlla may bu ñu fan képp fu waa jógee na fa dellu ci jàmm fekk jàmm wucc fi jàmm yal na jàmm sax 好好好，んふんふん、ふん música de Je l'ai n'est souvent en lui disant qu'il paraît qu'on vous a réservé un prix de générique. C'est pourquoi à chaque fois, tu viens. Donc, pour vous dire, il aime ce qu'il Aujourd'hui, il est à Diao. C'est le directeur de Diao. Donc, je pense que si les parents d'élèves remercient l'équipe pédagogique de Diao, je dis que vraiment, euh, je suis très content tout dit le on va remettre la parole, s'il vous plaît. Donc, M. Sahar, vous avez la parole. Monsieur le maire de la commune de niora messieurs les chefs de village, monsieur le président du collectif est directeur d'école, Monsieur le Président du comité de gestion de l'école, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, chers partenaires, chers directeurs d'école, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves et honorables invités. Permettez-moi d'abord, à l'ensemble de mes propos, de saluer tous les équipes pédagogiques de l'école. Les parents d'élèves sont présents qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de cet événement. Remercier les élèves de leur mobilisation et de l'importance qu'ils ont à cette tête qui est la leur, car après tout, ils sont l'objet de notre engagement et dont nous nous engageons pour servir leur cause et servir la cause de l'éducation. Un pédagogue disait qu'on ne remerciera jamais un enseignant d'avoir enseigné que deux fois deux font quatre, mais on le remerciera d'avoir choisi ce bon métier. Ceci dit, je salue nos partenaires qui ont quitté leur pays, leurs foyers respectifs, leurs parents et amis pour venir au chevet de l'école sénégalaise. Notre école, je vous nommais l'école de Niaou Nous vous souhaitons la bienvenue au Sénégal et particulièrement dans notre école. Nous vous souhaitons aussi une très bonne et heureuse année 2023, qu'elle soit une année de santé, car sans la santé, on ne peut rien faire. De paix et de réussite dans tous vos projets. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Il serait très important pour nous de faire un petit rappel de vos nombreuses réalisations au sein de notre établissement, allant de table de fournitures scolaires, de bureaux, de chaises, de blouses pour les élèves comme vous le voyez, et pour les enseignants. Donc, il y a aussi le fruit, le jardin potager, qui compte beaucoup pour nous car pourra nous permettre d'atteindre notre idéal qui est de la graine à l'assiette, comme on a l'habitude de le dire. Si on dispose d'une cantine scolaire, la classe maternelle aussi fait partie des réalisations, de magasin, et pour cette année, c'est flamboyant, ça polyvalent, couplé du bureau du directeur, on nous aurait oublier le vaillant Jérôme Rouche, donc, qui est le président de euh, Nouvelle Énergie Distribution, qui avec son entreprise Nouvelle Énergie Distribution accompagne l'association Ensemble pour l'école de Yao, en donnant cette année les écoles de Dantamoun et de système solaire équivalent au courant électrique. Merci infiniment. Voilà pourquoi, au nom de tout le personnel enseignant, au nom de la population des villages environnants, au nom de toute la communauté éducative du département de Koundioui, ne trouvant pas de mots pour vous exprimer notre reconnaissance et gratitude vous dire tout simplement en français merci infiniment. En anglais, thank you. En bambara, anike. En sauté, animbara. En wolof, dieu-le-dieu. En peul, indiarama. Et en serrer, yokanjak. Pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements à tous les parents d'élèves ici présents, à Monsieur le maire de la commune de saint oriental à tout le personnel de l'école, à tous les membres de l'association Ensemble pour l'école de Gao et à tous les membres du comité de gestion de l'école ainsi qu'aux élèves et les invités, car ils n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Donc, commencez ici sous-préfet, monsieur le maire, inspecteur, à Donc, euh, di ñaax ñaanal suñu partenaire yi at bu bees bi ñu nekk mu doon at bu atum naataange atum wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram su amul dara mënu baax donc ñu ngi leen di gërëm di sant ci seen réalisation yi ñuy jot a def depuis 2010 jusqu'à présent donc lépp lu nekk di def ñoom ñoo ko fi def donc état ñaari classes yi rek la fi defoon donc tout ce qui reste ñoom ñoo ko fi tabax donc des applaudissements pour nos partenaires. donc loolu bu passé ñu gën a ñaaxante rek surtout ci côté parents yi ñu fexe dugal xale yi parce que njàng dafa am solo euh, boo gisee ñuy li ñuy def ci école xaalis bu bëri la te warul nekk loo xam ne dañ koy tabax nii rek toog di koy seetaan donc dafa war a fees ak ay élèves donc ñu fexe parents yi ñun parents yi ñu fexe dugal xale yi parce que euh, suñ ko deful day xaw a doy waar ndax ñoom dañuy gis ay kilomètres kilomètres ñëw investir ci école bi loo xam ne ñun mënuñu ko donc état moo ko waroon a def état amul moyen donc suñ ñëwee def loolu donc ñun li ñu war mooy ñu def ñu képp ka lay kattan pour que école bi fees donc ci côté jàngalekat yi ñun dinañ def lépp lu ñu war pour que njàng ñu dem ci kanam donc. Euh, ci euh, tënk daal lii mooy li nga xamante ne moom laa tënk ci sama discours euh, bi maa ngi gërëm ñëpp di sant. par cette manifestation. Et c'est pour cette raison qu'on m'accorde vraiment ce temps de parole pour placer à l'endroit des partenaires, mais également des invités qui sont ici présents. Monsieur le sous-préfet de Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Foundiouille, Monsieur le maire de la commune de Nyoro santara Messieurs les chefs de village de Yao, Monsieur le président du collègue de Djamogen, Messieurs les directeurs d'école, chers partenaires, chers collègues enseignants, parents de pédagogique, les parents d'élèves et l'ensemble des élèves de l'école de Dantapoun, très sensibles à votre présence massive à cette cérémonie, souhaitons tout d'abord la bienvenue à M. Jérôme Couch, chef d'entreprise Nouvelle Énergie Distribution et à ses collaborateurs, aux membres de l'association Ensemble pour l'école de Yao, d'ici présent, Amadou Sow, représentant des partenaires. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Monsieur Jérôme Couch, ce généreux donateur, cet oiseau rare, ce grand monsieur vient de doter l'école de d'une importante installation solaire évaluée à plusieurs millions de nos francs. Ce précieux outil, ce joyau, dont l'école a tant besoin, permettra à Couture d'améliorer nos conditions de travail, mais également les résultats scolaires. Cela témoigne une fois de plus l'importance et une attention toute particulière que ce grand monsieur a accordé à l'éducation. Il a compris que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'il faut pour transformer le monde. Sachez que ce geste est hautement apprécié à sa juste valeur par toute la communauté éducative. C'est pourquoi chers partenaires, pour vous exprimer notre profonde gratitude et notre joie, nous disons grand merci en français, Djokonjal en Ferrer, Anité en Bambara, en Numbara en Polo, en euh, Sosé, en Polo. Et de réussite à toutes vos entreprises. Vive le Sénégal, Vive la France et vive le partenariat. Merci de votre aimable. so we don't get the, the, the, Monsieur le chef du village, monsieur le président du collège de Nioro, monsieur le président du CGE, monsieur les directeurs, monsieur les enseignants, chers invités, partenaires. avec Monsieur le président je reviens encore une fois devant cette assemblée pour m'exprimer pour la énième fois général de l'école de Niaou, Serré en particulier. Ce qui est remarquable, c'est cette la vie, se renforce et se redynamise davantage. Chers partenaires, vous avez permis à des écoles sénégalaises d'avoir ce qui est le plus précieux, c'est l'électricité. Je vous parler des écoles de Dantapoun, de et de Dans cette dernière, vous avez montré que la volonté peut transformer même les montagnes. Grâce à bâtiment nous neuf, de, de jardins scolaires, de puits, d'établissements, euh, d'une classe informatique, donc j'en Ce partenariat mérite d'être soutenu il mérite également un cuivre, car vraiment, et du bâtiment construit au niveau de l'école doit vraiment permettre aux générations futures de bénéficier vraiment des impacts hautement symboliques. Donc, euh, euh votre l'ensemble des écoles par je vous dit merci Aujourd'hui, nous représentons Monsieur le chef de village de Ngao Périen, Monsieur euh, l'IF le Foundioun, nous le représentants, Monsieur le président des collègues, chers élèves, chers partenaires. Il m'est très très agréable de prendre la parole aujourd'hui. Certes, ce discours m'a pris au dépourvu. J'ose dire, j'ai fait une entorse à l'ombre protocolaire. Deux d'émotions m'habitent. Pourquoi Parce que c'est honneur. Parce que partager une école avec des gens, pendant des années, je vous citer l'école de Bantou, et que ces aînés puissent penser à vous et vous inviter à une au pareille, je crois, je vous dois de vous dire merci beaucoup encore une fois, mes la Euh, je suis encore comblé de joie. Pourquoi Parce qu'il y avait quelques années de cela. Venir à Yao, vous ne trouverez qu'une de cela. Aujourd'hui, avec les partenaires, nous comprenons effectivement que l'école de Yao a là. Pourquoi je le dis parce que battre le toutes les réalisations émanent du partenariat de nos amis français avec les collègues. Et cela, je pense que nous devons quand même les remercier. Pourquoi je dis qu'il faut les remercier Pensez aussi à étudier nos écoles l'école de l'école de Diababel, l'école de Darfour, c'est un la gauche. Vous ne calculez pas, euh, euh vous ne mesurez pas euh, le point positif que vous avez apporté à nos élèves. Je pense que donner nos écoles c'est c'est une manière d'améliorer nos enseignements après Et je dis que toutes les écoles du Sénégal en ont besoin. C'est pour cela, vraiment, euh, je ne saurais pas être long. Pourquoi c'est l'émotion qui m'habite. Vraiment, je souhaitais quand même que ce genre de partenariat soit quand même reconduit dans d'autres écoles, mais aussi jusqu'à présent au niveau des guerres, Je crois que vous êtes sur la bonne voie. Parce que, pour vous dire, pas partenaires, nous sommes sur la bonne voie, mais encore une fois de plus, nous n'avons pas encore atteint le paquet de Qu'est-ce que c'est que le paquet de C'est donner l'école de deux scolaires, deux d'une clôture, d'une cantine scolaire. Je crois que cela améliorera le fondamental les enseignements apprentissages. Et pour terminer, je remercie tout le monde, tous les directeurs ici présents, tous les collègues, mais aussi les parents Mais encore, je dis mille fois, encore mille fois à nos chefs partenaires, je vous remercie à votre euh, Depuis tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de remerciements pour euh, moi, mais en fait, les remerciements, c'est pour euh, l'aide. C'est tous les services qui travaillent euh, tous les jours dans la société et qui permettent qu'on fasse d'école. école. Donc, on est venu il y a 4 ans, on a fait India, euh, on était très très très fiers, On revient cette année, L'année prochaine, on va revenir au moins quatre école, Et l'année après on reviendra au moins une école et on reviendra à toutes, les écoles, du Sénégal à être électrifiées. Il faut éduquer les enfants. Mais quand même, tout ça, ça peut. Il y a c'est uniquement grâce à une rencontre avec Paulette qui, fait qu'on est là aujourd'hui, que mes enfants ont pénétré le Sénégal et, votre culture. Et donc, je voudrais vraiment remercier euh, Paulette et René rencontrer euh, euh, l'école et toutes les écoles Merci beaucoup à tous et vive l'éducation. des parents d'élèves, chers directeurs d'école, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, cher Jérôme Rouge, sa famille, ses amis, cher André, ma coéquipière, et cher René. Voilà. <laughs> bon, alors nous sommes à nouveau à Ndiao et nous en sommes très heureux. Nous sommes vraiment contents de revoir les enfants. Et en 2022, nous avons le projet de la salle polyvalente. Ce projet a été réalisé et en tout premier lieu, j'aimerais remercier tous les ouvriers qui ont participé à la construction. Allez, allez, nous nous les maçons, les peintres, les électriciens, carleurs, enfin tous ceux qui ont fait quelque chose, les habitants du village, les femmes du village, qui ont puisé de l'eau et qui l'ont apporté. Enfin, je remercie tout le monde parce que je trouve que c'est important, sinon la salle ne serait pas construite. Nous avions pour projet cette salle polyvalente. Elle était en principe conçue pour abriter la cantine scolaire cette cantine scolaire va être réalisée très rapidement, mais je pense aussi qu'elle aura beaucoup d'autres utilisations. Euh, je pense que les personnes euh, qui sont responsables un peu dans le village, les parents d'élèves, euh, les différentes associations, pourront se réunir pour trouver d'autres utilisations à cette salle. Nous attendons que les enseignants euh, fasse, organise ces réunions pour savoir. On fait un petit peu papier, d'informatique, mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour. On va réaliser d'abord la consigne scolaire nous avions fait un jardin, un tout petit jardin qui avait été commencé par les élèves ingénieurs d'une école lyonnaise. Ce petit jardin ne suffisait pas évidemment pour la cantine, mais elle était destinée à apprendre aux enfants à jardiner pour apprendre à se nourrir. C'est le concept que vous avez donné dans les écoles sénégalaises. Quand on veut faire une cantine, on a fait un jardin qui est beaucoup plus grand, qui fait quand même 1500 mètres carrés les femmes sont, sont occupées, elles ont déjà pas mal jardiné. Il est destiné ce jardin à fournir tous les légumes nécessaires à la fabrication des repas. L'association, elle, va acheter le riz, le poisson ou la viande, tous les ingrédients nécessaires à la cuisine. On va bien sûr équiper la cuisine euh, de, casseroles, de gros en enfin tout ce qui vous est nécessaire à la fabrication des repas. Et on va solliciter les mamans pour qu'elles viennent fabriquer ces repas. Alors j'espère qu'elles pourront faire ça à tour de rôle et que ce ne sera pas trop gros comme travail. Les enfants mangent à la cantine, je crois, deux jours par semaine. Donc voilà, on assure ces repas pour tous les mois de l'année et pour tous les enfants de l'école. Nous, nous organiserons une réunion avec les enseignants et les mamans pour savoir comment elles vont s'organiser pour la fabrication des repas. Pour l'instant, on va leur demander de faire de façon traditionnelle, puisque nous n'avons pas installé, qui est prévu, de cuisine adossée au mur du jardin, mais je pense qu'elles feront les repas comme elles les font d'habitude. Mais on en parlera avec elles. Alors, autre souci, puisqu'on a une école maternelle en œuvre et qu'on a, avec Audrey, apporté énormément de choses pour euh, l'éducation des enfants sous forme de jeux, sous forme de différents travaux. Et on aimerait bien que cette école ait une institutrice. Donc là, je m'adresse à Monsieur le sous-préfet à monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation pour leur demander de bien vouloir mettre un coup d'accélérateur pour qu'on puisse avoir une institutrice. Nous avons, et pour la bonne cause, que nous avons une institutrice qui a validé son diplôme à Ndiao alors que l'école était à l'époque sous une tente. Maintenant, l'école est en dur, elle est équipée du matériel scolaire nécessaire et même plus que nécessaire, vraiment. Donc, euh, ce qui nous manque, c'est une institutrice et j'aimerais bien que ça, ça nous soit accordé parce que je crois que là, euh, le mérite vraiment avec tout l'équipement que, que cette école possède. Alors, on nous avait demandé l'an dernier, monsieur le sous-préfet que nous avions rencontré, nous avait demandé d'établir un dossier afin que nous soyons reconnus comme association étrangère œuvrant au Sénégal. Nous avons rempli ce dossier complètement. Euh, les, instituteurs ont envoyé tous les papiers qui étaient nécessaires aussi à leur sujet ainsi que euh, à Madrousseau. Euh, ce dossier est parvenu à Monsieur le sous-préfet et maintenant on ne sait pas où on en est. On savait que ça pouvait demander longtemps, mais on n'a aucune réponse. Donc on ne sait pas si ce dossier est arrivé quelque part, s'il est accepté ou s'il n'est pas accepté. Et on espère qu'avec ça, on pourra quand même prétendre à avoir... Euh, c'est ce qui était prévu, avoir davantage d'aide, non pas financière, c'est pas ce qu'on demande, mais au moins pour avoir un enseignant par exemple. Ou alors si éventuellement on demande un jour la clôture de toute l'école, on espère que le fait euh, d'avoir fait tout ça et d'être vraiment une association reconnue nous permettra d'obtenir par exemple un mur autour de l'école, qui je crois est, demandé dans les écoles du Sénégal. Parce qu'il y a au niveau de la sécurité, en fait, l'école, elle est à tous euh, Alors, euh, pour, les, pour les enfants, on a, on, a donc prévu beaucoup de choses à l'intérieur de la salle de classe. Euh, nous, nous nous demain, je pense, les parents et les enfants de la maternelle pour leur expliquer exactement ce qu'on a fait, pour leur donner leur sac à dos de rentrée et pour leur expliquer exactement ce qu'on a fait, pour qu'ils puissent se rendre compte de l'univers dans lequel leurs enfants vont évoluer. Donc euh, on offrira un petit goûter aux enfants et voilà pour, leur, pour permettre aux parents de visiter cette petite école et, de voir euh, un petit peu ce qui se passe. Voilà. Ce matin, on a fait un petit essai euh, involontaire, c'est vrai. Les enfants se sont précipités dans la classe et finalement, ils se sont énormément intéressés à toutes les installations qui avaient été prévues. Donc, euh, on est plutôt content. Audrey est très contente puisque c'est elle qui est à l'initiative de toute l'organisation de la maternelle. Donc, elle était très contente de voir la réaction des enfants. Ils sont intéressés vraiment. Donc, je pense que la maîtresse qui qui viendrait à Ngao aurait à sa disposition un maximum de choses pour faire du bon travail et aussi pour une facilité de travail. Voilà. Euh, maintenant, euh, après tous ces efforts, euh, je voulais demander à M. le sous-préfet, à M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation, de prendre acte de ce qu'on leur demande et, de bien vouloir faire quelque chose s'ils le peuvent. Voilà. On essaie de venir et on est toujours en escalier. On est à moins de 300. On ne recule jamais avec eux. On avance. On a avancé jusqu'à avoir l'électrification. Et l'électrification a avancé jusqu'à être à Dandapour aujourd'hui. L'électrification va avancer parce que dans 30 minutes, L'équipe va partir à Cameroun pour aller travailler. Donc pour cela, je tenais à vous dire, qu'on n'est pas là aussi pour juste faire la tête en plus parce qu'ils sont là pour voter, parce que c'est le jour de travail et là, nous voulons vraiment avancer pour que ça soit bien. Et quand on parle d'avancement, je pense que Yahoo pour envier toutes les autres écoles. Parce que chaque année, on essaye de poser des actes. Et les actes, qui les décide C'est pas pour les c'est pas aussi moi, c'est tout un ensemble. Au départ, l'école maternelle, c'était ça, avec la paille. Et il y avait juste deux salles de classe construites par l'école sénégalaise. Maintenant, tout le reste, les parfois à l'école. Et avant aussi ces touristes, il y a ce qu'on appelle donc la présence des volontaires. Parce que si vous regardez derrière, c'est aussi un jardin. Juste pour le jardin, on pouvait s'autosaisir. Parce qu'un jardin de 15 mètres carrés, dans un village paysan, je pense que donc on pouvait faire des efforts pour au moins rendre utile à l'agréable. S'il s'agit donc de faire les graines, on est prêt à sortir dans la bouche pour mettre les graines. Qu'est-ce qu'on demande Juste la réalisation et le travail. C'est comme dans une entreprise, si ce monsieur était venu juste toute seule, il ne pouvait pas réaliser donc les panneaux solaires. Il faut savoir que c'est toute une équipe, c'est une chaîne de maillot. Aujourd'hui, donc, on a fini par l'école. Je sais que le cycle d'une école, c'est six salles de classe. Et là, on a rajouté le bureau du directeur. On rajoute encore une autre salle polyvalente qui est présente et bien carrelée. Donc, au Sénégal, ce n'est pas tous les écoles qui sont carolées. Donc, de grâce, je tenais donc à faire ce discours aujourd'hui devant le peuple Seigneur pour qu'au moins vous cherchiez les gens, quels sont les efforts qui sont en train de faire de 7h du matin jusqu'à 19h le soir, pour pouvoir au moins avoir les 4 euros, 100 euros et de mettre des collègues et de pouvoir revenir au Sénégal. Et tout ça, c'est par rapport aux enfants, c'est par rapport à l'éducation. Et je pense qu'il est temps à Diao et aussi aux habitants à côté de savoir l'effort fourni et aussi l'importance de la présence de ces gens-là. Donc je voudrais donc m'adresser à cette populations pour au moins se tenir compte et d'être conscient de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est pas les enfants. parce l'éducation. Et je voulais vraiment, si vous pouvez vous organiser encore davantage pour le bien-être de l'école dans le cadre de l'institution, l'éducation et l'environnement, on demande ça. Maintenant, pour le reste, ça va se faire. Et je pense aussi, Paulette a émis quelques doléances qui méritent aussi des réponses je vous donnerai la voie de pouvoir faire ces réponses tout à l'heure. Et Inch'Allah, cette année, l'école de pourra bénéficier d'une quantité scolaire financée par l'association de l'enfant pour l'école de Nyon. Maintenant, on attend de la population pour qu'ils puissent mettre les légumes de pouvoir dans le faire. Et au niveau des femmes aussi, on pouvoir s'organiser à tout de un mardi ou bien un jeudi, de pouvoir préparer de pouvoir manger pour leurs enfants. Donc vraiment, nous voulons cette solidarité et je voulais avoir ce témoin de ces gens pour que vous sachiez donc l'importance. Et ces gens-là, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils sont fatigués parce que chaque fois qu'ils reviennent au Sénégal, il y a toujours une envie de revenir. Et cette envie de revenir, ça pouvait aussi motiver la population et la conscientisation de certains parents donc sur ce, c'était mon petit discours à moi que je n'ai pas aussi préparé pour que vous sachiez la présence de ces gens-là. Ok, merci. Le président du Codex, quand il parlait, il a parlé à mon nom. C'est la première fois que j'assiste à cette cérémonie. Mais en fait, euh, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment rencontrer des gens qui aiment le développement. Et par rapport à la requête, par rapport à la requête de madame, je crois que la réponse est très simple. Il y a le représentant du maire qui est là. Il y a le président du collègue, qui président de ici, avec le directeur corps. Ils vont former une délégation à les rencontrer ces présidents. Il ne s'agit pas d'écrire, mais de suivre le dossier. C'est ça qui va régler ce problème. Après cette rencontre-là, ils là vont former une délégation. Allons voir le sous-préfet pour expliquer l'enjeu de l'événement et procéder de la même au niveau de l'IA. Et je crois que affecter une délégation est une affaire vraiment qui n'est pas très difficile. Je crois que c'est le rapportage et le suivi qui, qui, qui manquerait pour que ça puisse se passer. Puisque ce que vous êtes en train de faire, enseignant, et moi je suis dans une école de très déshéritée, quand je vois tout ce qui est dit ici, je me suis dit, ce n'est pas la peine de faire de long puisque les actions que vous avez posées parlent plus que mes mots. Et l'engagement que nous lisons sur votre en donc tout ça, je n'ai pas voulu trop outre mesure prononcer sur ça. Mais nous vous garantissons que nous allons, avec les conseils, tout ça, comme je l'ai dit tout de suite, accompagner ces directeurs et ces membres des différentes activités pour qu'on puisse faire le suivi. Je dirais bonjour à tous et à tous. De mon nom, Babacar Kadjaga, qui est présent de la commune de Nyoro à la Santal mais aussi ici présent du nom du maire de la commune de Nioro Alassanta. Avant tout, vous allez me permettre de nous présenter nos esprits parce qu'on devait être là depuis ce matin, mais vu le temps, donc nous vous à vous présenter nos esprits. De ce fait, je salue le président de l'IRC ici présent, le président du codex, et les directeurs qui sont là, sinon du directeur de l'école de Gao, et aussi les directeurs qui sont ici présents, comme du nom de M. politique, et tous les enseignants qui sont là, et aussi les parents d'élèves qui sont ici présents. De ce fait, nous saluons les partenaires qui sont là, du nom de leurs représentants en vous disant soyez les bienvenus. Nous vous saluons et vous dire que la commune est prête à accueillir tous les partenaires et aussi vous accompagner en cas de besoin. c'est aussi l'éducation que vous avez invité. De ce fait, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus efficace pour développer le pays. Sans l'éducation, aucun pays ne, ne peut pas développer sans l'éducation. Donc nous vous remercions, nous vous remercions encore une fois. Je vraiment Je, voulais prendre beaucoup de temps, mais vu le temps, vous, devez, vous allez partir dans, vous allez, comme le dit M. Cap, vous n'avez pas du temps vous devez faire autre activité. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour merci, merci encore. Vraiment, si vous nous pas ensemble, je ne pourrais pas commencer sans vous parler. Vous Parce que je suis un terrain avéré, un terrain Et je crois que parce qu'on le dit donc, la culture est au début de le développement. Parce avance. On est au Sénégal. Et là, l'amitié est là. Sénégal depuis vieille amitié. Et là, Madame Colette, on va parler, Inch'Allah. Madame Colette, c'est la première fois qu'on a transmis carte de droit. Christian Colette. Voilà donc, euh, Didier, ça me vraiment euh, sur le contrôle. Je vais quand même vous dire. Euh, il a été président. বিরতি করে আসলাম Donald Trump বলিয়ে ওষুধ দিকে আসেন সেনেগাল যোগ পাকিস্তানে যোগ ওটা বড় মা সেটি কাটিত ইসলাম সেন্টি সেনেগাল ইয়ারিয়ে দিল আসাম কোম্পানি কাল কালমান সিজাটিটা কমেন্টারি যোগ আরেকটা কিন্তু প্রভু সবাই একদম ট্রান্সলেট ইদেন বা তারপরে

la commune Prénel, le Sénégal énergie. Et tout ça à cause de la contribution Donc euh, encore, euh, marché spécial le commune de la France. Marché spécial donc aux Lyonnais, comme vous êtes. Donc on est très content. C'est la première fois que je viens ici à, à Diao. Mais vraiment avoir une réalisation donc, là vraiment, je suis vraiment chez Et là je parle donc euh, pour qualifier votre présence ici à Diao. Mais ce que je vais faire, je vais transmettre donc personnellement la tolérance, solidarité la savation, la discipline, l'instruit, gérer les, les, les tout petits à l'école de Yao. Donc, euh, je suis très content. Donc, on donne le lien, nous remercions en fait, parce que vous avez, vous avez ménagé aucun effort le développement qui a besoin de se suivre donc dans cette de Diao. Et je ne dirais pas seulement Diao, comme j'ai demandé, il y a pas Barsabou. Donc tout ça, donc, c'est à cause de vous. Donc encore, pour terminer, euh, aucun la technique, donc on vous remercie pleinement donc, pour de lien et je n'ai vais transmettre seulement donc à venir de la collectivité. Voilà, merci encore et je merci Didier pour cette question. Merci beaucoup, Président. Je Président, je remercie. Aucun message primaire et terminer par les femmes.

Дете е правил a дома и Лимон, он база точно в Merci Seigneur. On n'a pas les corps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà les femmes, les Jao. Je pense que vous allez, on Que donne un temps.